je voudrais me réjouir de cette visite. Aussi courte soit-elle, je suis venu. D'abord, il faut relever le symbolique. Vous fait partie de la périphérie et moi, dans cette dynamique de décriminalisation, la périphérie m'intéresse beaucoup. On voudrait que tout ce qui se passe à Dakar puisse se passer à Goudiri. C'est notre souhait. Donc notre option, comme on nous l'a prescrit, comme les autorités nous l'ont prescrit, c'est d'être au service des populations. Des populations à la base. De faire profiter à ces populations des opportunités de la terre, des produits de la terre, faire connaître les produits de la terre. C'est un dispositif mis en place par l'État du Sénégal. Et ce que l'État nous a demandé, on nous a instruit d'être à côté des populations et de prendre en charge leurs besoins. C'est pourquoi nous, avons, nous sommes accompagnés par les partenaires. Les partenaires qui aujourd'hui nous ont permis d'abord de disposer d'un personnel qualifié. Vous savez que le personnel ici présent est pris en charge par le programme d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales, le PAVI. Le PAVI est essentiellement euh, financé par la BAD, la Banque africaine de développement, mais aussi l'AFD, l'Agence française de développement, avec l'apport de l'État du Sénégal. Donc c'est ce projet-là qui nous vaut ce personnel qualifié. Et ce projet a adopté notre démarche. Parce que nous avons déjà bouclé le pavé 1, la phase 1 du pavé, mais nous abordons la phase 2, et dans cette phase 2, il y a une bonne partie de territorialisation. C'est pourquoi les antennes sont bien à propos. Les antennes seront animées, les antennes seront soutenues pour le bonheur des populations à la base. Mais aussi, une chose essentielle au niveau des antennes, c'est l'espace coup. Vous l'avez déploré tout à l'heure. Des jeunes qui partent s'engloutir dans la mer. Nous n'en voulons plus. Donc nous allons utiliser ces espaces pour mieux concentrer les jeunes, pour mieux les encadrer, pour mieux les orienter, grâce donc à nos partenaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ces espaces, de créativité que nous allons euh, équiper, euh, soutenir par euh, la Fondation Mastercard. Mais l'essentiel de ce que nous allons faire ici à Goudiri est soutenu par l'ABAD et l'AFG. Donc, monsieur le coordinateur, je vous encourage à bien accueillir les jeunes, à les recevoir, à leur parler, mais surtout à rester disponible. Donc, Monsieur le Préfet, l'antenne est sous votre tutelle. Nous vous la confirmons. C'est le maire, c'est le président du conseil, c'est une antenne en Gorgo. Kon nag ngeen xam ñun DER état lañ fi nekkal état état nous ñu fa partenaire partenaire bu mel ni banque africaine de développement partenaire bu mel AFD projet yi nga xam ne moom lañ ñu defal doublé nañ ko ci deuxième phase bi pour que ñu mën a jël en charge décentralisation bi loolu moom ci biir loolu lañu def antenne yi te antenne yi ba ci kii nga xam ne moo koy animé ba euh, euh, Pavi moo koy fay te projet boobu moom lañu ñu bàdd ak AFD ak état du Sénégal di jàppale mu nekk nag ma bëgg na ngeen def ko seen yëf d'abord jeté yi moo tax ma kontaan trop ci monsieur Diame wax jeune bi nga xam ne mooy président wu fédération bi ma kontaan ci moom lu tol di ko wax ni ko nañu wane ni mën nañ liggéey ci suñu dëkk mën nañ toog ci suñu dëkk te yéen yéen a mën a wax ak jeunes yi